la politique c'est la discussion c'est le dialogue mhm. c'est une confrontation d'idées c'est une confrontation de concepts de projets Lol moy politique parce que politique c'est la gestion de la cité mhm. quand je te dis je confie à Ndiap Bitei de mhm. me gérer mon entreprise parce que dans ma japonie, Ndiap a des compétences. les compétences technique et morale. Ce n'est pas simplement les compétences techniques, mais les compétences morales. Dans une république, sorte sorte de la morale. Et moi, je pense que on doit même être beaucoup plus gouverné par la morale qu'autre chose. Parce que nous avons une morale manam moy lu yenu li li ñu war c'est ça la morale. <laughs> su ma la j'ai comme l'impression que gars euh, dossier Adisar daf leen euh, rëcci ñu bëgg la si dossier euh, Prodac b je ne sais pas xawma ndax. Mhm. amuñu ay preuves ci Adji mais xam nga lu ma bëgg a wax mooy quand on a mhm. un opposant de la taille de Sonko. Mhm am un Macky Sall de l'autre côté qui dit que j'ai super bien travaillé, j'ai fait de belles réalisations. Aucun président dans ce pays n'a fait ce que, moi j'ai pu faire. Mm-hmm. Mais il faut, amener, il faut amener. il est éliminé de facto, tech numéro 2, parce que troisième mandat, et il l'a dit. Tranchée, oui, non, on va la constitution man dama la xam lan force Afrique. Hmm. les histoires de constitution après le nous ñu là. Ah. Hmm. mais qu'est-ce qui fonde l'Afrique amna loy wax ak sa xarit yow sa xarit intime. Hmm. li len lié du quelque chose que vous avez écrit sur papier li len lié moy li ngeen wax. kaddu li ngeen seq kaddu. dans nos sociétés ceddo à nous avant l'arrivée de l'islam ou l'arrivée du christianisme. mais cadre politicien est-ce que mais c'est-à-dire il faut pas que nous nangu di politique cadre politicien Nous finalement c'est comme d'un point c'est devenu même acceptable d'un point de vue culturel dañu bëgg dans notre architecture sociologique que politicien mhm. défini comme quelqu'un qui ment tout le temps qui vole nos ressources qu'un politicien qui est défini comme ça soit intégré dans l'architecture dans notre architecture sociale au nom de quoi il nous faut un nouveau type de politique. Il nous faut des, hommes politiques de valeur qui agissent en fonction des dispositifs sociologiques qui existent. Nous avons des dispositifs dans notre organisation sociale man ak Alioune Sané ya ñu bokkee hmm. amul contrat buñu lié pour bu war dé mais dama xamni man mi waruma war Alioune Sané hmm. dama xamni man mi waruma war Lol hmm. loolu binduñu ko ci kayit même la charte du NTS binduñu ko ci hein on n'a pas dit un ya na se doit aimer son prochain on l'a pas dit on n'a pas dit que ya na marre n'a pas le droit de trahir son prochain charte di charte NTS leneen la mais man ci sama doxalin ak sama relation mon humanisme ne me permet pas man may def luy war Alioune Sané mu yëg ko wala mu ñàkk ko yëg moo tax am na ci yu may dugg dama koy wone ko ah maa ngi dugg fii nii laa ko fas yéene defe yéen de xam naa ni lii mais man ni la ko bëgg a defe et ça c'est important c'est important c'est important juste rappeler aux internautes qui nous euh, suivre a émission euh, les 52 minutes de Ndiap et je suis avec euh, Malal alias Fou Malat, des des artiste rappeur aussi si mouvement yanamar a marre par rapport à Tolumba mais mais surtout l'affaire Ousmane Sonko Mame finalement Ousmane Sonko qui se retrouve à la Souma Assistance ndaxte rek bi ñu si proche Ousmane Sonko gannaaw rek force de l'ordre yi malmené d'essayer see et rek euh, ay euh, tolof tolof finalement son état de santé selon toujours les informations euh, est devenu critique Malal nous avons ñuy toll si partie bi nga émission lañ image du jour ou les vidéos du jour avec la complicité de la régie nous avons nañoo am vidéo du jour Malal commenté ko avec les internautes. Madame, cette vidéo doucement Sonko hmm. et euh, les policiers, est-ce que c'est euh, celle ou bien excès de zèle ou c'était juste pour euh, rétablir l'ordre On regarde, après on commente. waaw Malal euh, gis neen vidéo bi Ousmane Sonko comme ni la ko waxee rek ñi nga xam ne ñoo nekk force de l'ordre yi rawatina la gendarmerie nationale ñoo loon ko rek jéem a tracé la yoon bi nga xam ne moom loo waroon jaar pour rek uyu ji si boo procès lee dox si digganteem ak Mame Mbaye Niang comme ni nga ko seetlu woon rek si procès bi nga xam ne finalement dañ ko renvoyé mais

Qu'est-ce que ça vous fait, euh, cette, image Non, en fait, euh, si effectivement ñu koy xam nga force force aussi de la résistance. oui alors que leader de la trempe de Ousmane Sonko il faut discuter avec lui. Mm-hmm ànd ak moom ko mu dem. Mhm. c'est aussi simple que ça. Mhm. bo xolé c'est très très tendu. Mhm. mais bo xolé également. ana ñeneen ni on voit on voit que Guy Marius à côté de lui les les voilà la grande question mon nekk. où sont les autres deux quoi de Askan Wi. non je parle même pas d'eux ils sont pas de passif ah wax nga deug ñeneen où sont les autres de passif ay ñoom. Bassirou, Abbas Où, sont les autres Ils doivent être là. C'est vrai. Le général. C'est vrai. Doit avoir ses lieutenants à côté de lui. C'est vrai. Nous ça parce que oui, ils vont pouvoir résister. Nous C'est pas pour Giancarlo Boumi, ah, les forces de l'ordre. Mais c'est plutôt effectivement pour me sentir que lui, il est entouré. Mhm, mhm. Il n'est pas seul. Mhm. Mais il n'a vu que Guy Marissagna. Mhm. Ça ne doit pas être ça. On dirait que Guy Marissagna, finalement, c'est euh, le copain Non, non c'est juste la personne, effectivement. Qui est comme ça. Qui est sincère dans son engagement, dans sa relation avec Ousmane Fonko et qui est prêt à tout les autres de PASTEF, euh, euh, euh, à mon, avis, à mon avis, ils devraient être là. Je ne sais pas, il devrait être là, il devrait l'entourer. Ouais, ouais. Ils devraient les voir à côté de lui. C'est vrai. Parce que on ne peut pas faire une conférence de presse, lancer un appel, etc., etc. Et derrière, si on doit, on doit les voir à côté de Ousmane. Et les gens de Yewe oui, les alliés, ils ouais, ils, ont, ils ont marqué de leur présence. Il hein. y a Khalifa Sal qui était là-bas, il y a Bart qui était là. Ils ont été là. Hein. La maison de Détchefal était barricadée hier. Mhm. C'est vrai. Et le comportement de nos forces de l'ordre Dans le diapositive de femmes excès de zèle Non, pour moi, ils sont aussi tendus. Mhm. Tu penses que les forces de l'ordre, des fois, ils font des choses parce qu'ils le font, parce qu'ils sont ils, ils reçoivent des ordres. C'est des forces de l'ordre. Mm -hmm. Et ils ne peuvent pas parler. Mm-hmm. ñàkk mën a wax à mon droit wax ci à mon droit wax ci télé. c'est vrai. mon droit def lu ñu la santul. Mm-hmm. te nga am opinion nit nga. nga am xalaat ci deuk bi. nga ci am lu lay naqari. Mm-hmm. am na yo xamante sax des fois do ci d'accord on te les fait faire. Mhm. Mais nous aussi ils sont submergés. C'est vrai. Ils sont submergés. C'est vrai. Il ne faut pas qu'on pense que les forces de l'ordre sous Ousmane Sonko qu'un président. Mhm. on aura les mêmes forces de l'ordre. De qui seront là pour exécuter des ordres. Mhm. il ne faut pas penser que c'est des gens qui sont contre Ousmane Sonko ou bien qui sont prêts à le tuer je ne le pense pas. Euh, ñom sax ñu ngi wax walum empoisonnement. bon man euh, loolu mënuma ci. avancer buñu démé bu féké hypothèse bobu yalla buñ ci yegg. Mhm. parce que bu féké dem nañ ba yegg fofu moy ça veut tout simplement dire qu'on a effectivement une une des forces de l'ordre politisées. Il ne faut pas que ñu yëkëti débat wu la politisation de nos forces de l'ordre mm-hmm. c'est vecteur de c'est vecteur d'instabilité sociale surtout avec euh, l'épisode euh, de, de, de, de, ouais, de la gendarmerie Oui, avec capitaine Touré Gemoumani Gemoumani en fait euh, la politisation je ne pense pas mm-hmm que ces forces de l'ordre sont partisans. Ils ont leur point de vue, hein, et aux élections, c'est les gens qui votent. C'est vrai. Euh, malal, amenez benen euh, euh, image avec la complicité de la régie. L'image du jour, bien aussi. des résistances pour le départ de Macky Sall. Déjà, en tant que malal, en tant que communicant, vous nous carrément phobique, euh, est en rouge et en noir le drapeau du Sénégal nga avons représenté mun mun wax ñu étoile finalement euh, est-ce que ay heures sombres nekkul di annoncer aussi euh, suñu kanam malal. non moi ils sont devenus extrêmes. ils sont des jusqu'au boutistes il ne faut pas qu'on en arrive là. Mm Macky aussi a été élu. Mhm. sur la base d'élections claires il a été élu. Mhm léegi nak nit boko falé mhm. dang Donc, koy baye mu jeexal mandatum. Mhm. mu jóge fi. Mhm. waaye yëf en 2024. mille c'est vrai. mais bon, njeexital la am euh, euh, genre yu mel ni man personnellement je suis pas d'accord ça me rappelle une situation. le 23 juin. quand il y avait nous on était déjà à la place. nous on était avec Tchad on était à. On était au commissariat central, on était arrêté là-bas, mhm. la veille, mhm. le 22, à Karim Khouroum à Cap de Sus, le 23 juin, ils se sont mobilisés comme des, comme des fous. Ils étaient des milliers devant l'Assemblée nationale. Et puis le ticket a été retiré. Mhm. La foule était surexcitée et voulait aller au palais. C'est vrai. Et c'était des, gens comme Fadel Baro qui les en avaient empêchés pour dire que Wanda a été